le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam Studio Kalangou, il est 18h15 C'est l'heure du forum. Au micro, Hamadou Moumouni, bonsoir. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chironzerine, Magaria, Kabalewa, Bouza, Tamaské, Dolbel et Saï. Au menu de ce forum de ce 11 juillet, la, la troisième conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente qui s'est tenue ce matin à Niamey tous les chefs d'État membres de l'organisation ont répondu présents, plus un autre invité de taille, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Vous suivrez le communiqué final de la rencontre, puis le secrétaire exécutif de l'institution comptait les différentes réalisations. Cette conférence est aussi l'occasion de faire l'histoire du Conseil de l'entente. À cet effet, notre reporter Marion Diallo a rencontré l'homme politique Sanusi Jakou qui nous édifiera. Bac 2016, les épreuves ont débuté ce matin sur l'ensemble du pays. Ils sont au total 44 281 candidats repartis dans 125 centres d'examen à la recherche du premier diplôme universitaire. Vous suivrez quelques candidats juste après la première épreuve, puis le directeur départemental des enseignements secondaires de Bouza, Bouza qui organise son tout premier examen de baccalauréat. Nous terminons avec la défaite hier soir de la France face au Portugal 0-1 euh, pour la Coupe d'Europe 2016 la France battue sur ses propres installations, quelles réactions et quelle analyse Vous suivrez un chroniqueur sportif et quelques Nigériens. Oui, l'ouverture ce matin à Niamey de la troisième conférence des chefs d'État et du gouvernement du Conseil de l'Entente tous les chefs d'État du pays, des pays membres de l'organisation ont répondu à ce grand rendez-vous. L'on note également la présence du président malien en tant qu'invité. Le thème de cette session ordinaire est pour un renforcement de la coopération entre les pays membres. Trois allocutions ont marqué le cérémonial, dont celle du président en exercice Ifou Mamadou, le président nigérien. Les travaux ont pris fin il y a quelques instants et c'est le président du Togo, Fort Nyang qui a été choisi par ses pairs comme président en exercice du Conseil de l'Entente. Il remplace ainsi Mamadou Issoufou du Niger. Suivront un extrait du communiqué final. Au cours de leurs travaux, les chefs d'État ont examiné le point de la mise en œuvre des décisions prises à l'issue du sommet du 17 décembre 2013 à Niamey, relativement à la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2016 du Conseil de l'Entente. La présentation des rapports du secrétaire exécutif et du président du Conseil des ministres a permis à la conférence de noter avec satisfaction les mesures novatrices prises dans le cadre de la rénovation progressive du Conseil de l'entente. En matière de coopération politique et culturelle, l'observation des élections et la promotion des activités culturelles et sportives à partir de l'année 2015 ont permis d'améliorer la visibilité du Conseil de l'entente. La réalisation des projets communautaires dans les domaines de l'électrification solaire, la construction d'écoles, des centres de santé ainsi que la réalisation des forages d'eau potable au profit des zones rurales ont été bien accueillis par les populations concernées. S'agissant du CERFER, le processus de sa transformation en centre d'excellence en matière de formation pour l'entretien routier est suffisamment avancé. Abordant la situation politique dans l'espace entente, les chefs d'État se sont réjouis de l'organisation réussie dans tous les États membres depuis 2014 des élections présidentielles, législatives et locales, et ce, dans les délais constitutionnels. Dans tous les États, les observateurs nationaux et internationaux ont témoigné du caractère démocratique, équitable et crédible de ces élections. Examinant les questions d'ordre sécuritaire, ils ont mis l'accent sur le fait qu'en dépit d'un contexte régional, continental et mondial caractérisé par des menaces terroristes graves, l'espace entente demeure une zone de paix relativement appréciable qu'il convient de renforcer. Concernant les questions d'intérêt international, les chefs d'État ont constaté avec satisfaction l'efficacité des actions menées par la coalition internationale dans le but de réduire et d'éliminer à terme les capacités de nuisance de l'État islamique qui a perdu depuis 2015 les villes de Kobané en Syrie, Tikrit, Ramadi et Palmyre en Irak et Sirte en Libye. S'agissant de Boko Haram, dans l'environnement proche de l'espace entente, la conférence se réjouit des résultats très encourageants de la stratégie régionale de lutte contre cette secte mise en œuvre par les forces de défense et de sécurité du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin. Voilà le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, Ibrahim Yakoubou, lisant le communiqué final euh, sanctionnant la fin des travaux de la troisième conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'entente. Mais concrètement, qu'est-ce que le Conseil de l'entente a pu faire comme réalisation au bénéfice des populations Écoutons à ce sujet le secrétaire exécutif euh, du Conseil de l'entente, Patrice Kwame. Au quotidien, le Conseil de l'entente a fait aussi beaucoup pour l'amélioration des conditions de vie des populations en mettant en œuvre un vaste programme de développement rural, projet vivrier, projet élevage, forage de plus de 6000 points d'eau potable, construction de réceptifs hôteliers, etc., etc. Cette vocation continue. Vous nous avez fait l'honneur de confier à notre équipe une mission difficile, mais exaltante, de pilotage de cette organisation qui traversait une période difficile dans un environnement marqué par de nouveaux défis, la pression démographique, la gouvernance politique, la transition démocratique, le terrorisme et la sécurité, l'emploi des jeunes, la migration des forces vives vers d'autres cieux au péril de leur vie, etc. Voilà le secrétaire exécutif du Conseil de l'entente, Patrice Kwame, sur ce que le Conseil de l'entente a pu faire au bénéfice des populations des pays membres. Alors pour mieux en savoir sur cette organisation, ce que c'est le Conseil de l'entente, son histoire, sa vocation et sur ce qui reste tel, son avenir aussi, euh, notre reporter Kenda Mariam Diallo a rencontré Sanusi Jaku, homme politique nigérien. Voici ce qu'il dit du Conseil de l'entente. Comment s'est formé le Conseil de l'entente En fait, la proposition de la création du Conseil de l'entente a surgi à la suite de l'éclatement de l'AOF et des tentatives de recherche de solutions de réchange par rapport à la disparition de l'AOF. L'AOF, c'est donc l'ensemble de ces pays de l'Afrique de l'Ouest dominés par la France. Elle comprenait donc huit territoires. À partir de 1957, quand la loi cadre française avait été appliquée et qu'on a eu le dans nos territoires d'avoir des conseils des ministres, eh bien, l'ensemble AOF a plus ou moins été ébranlé et il n'y avait plus pratiquement euh, une certaine euh, cohésion avec euh, un gouvernement fédéral qui dictait ses ordres même s'il est encore resté. Mais c'est à partir de 1958 quand nos pays sont devenus autonomes avec des conseils des ministres que l'AOF a commencé à éclater. Alors, le problème qui se posait au niveau des dirigeants de tous ces pays-là, c'était de savoir si on maintenait l'AOF en tant que telle, en tant que fédération, ou si on la dispersait. Donc l'AOF a disparu, et il y a eu des tentatives de regroupement. La première tentative de regroupement a été faite euh, euh, par le Sénégal, le Soudan et puis aussi des personnalités des pays comme le Dahomey, comme la Haute-Volta, etc. Alors cette tentative visait à créer une fédération d'États, même le Niger avait été invité. Finalement, les partisans de cette euh, fédération n'ont pas été suivis et le leader de ce mouvement fédéral, c'était Senghor et avait à ses côtés Modibo Keita. Et en face d'eux, il y avait les antifédéralistes, ceux qui ne voulaient pas du tout à ce qu'on fasse un État fédéral. Et cela était dirigé par Ofouet Bouani. Donc Ofouet Bouani a mobilisé ses amis, qui étaient Jori Hamani, Maurice Ameogo, plus le responsable du Togo. En tout cas, au tout début, ils étaient quatre responsables à la tête des quatre pays. Ils ont cherché une solution souple, afin qui leur d'avoir une organisation contraignante. C'est pour ça d'ailleurs que dans un premier temps, ils ont, ils ont voulu créer une union du Sahel et du Sahara. C'était la première idée. Puis cette idée a continué à mûrir et puis finalement, en mai 1959, euh, c'était devenu le Conseil de l'Entente. C'est tout simplement un regroupement des à la tête desquels il y avait des personnalités qui s'entendaient bien et qui voulaient continuer à se consulter et à se donner des conseils les uns des autres et à tenir des conseils. C'est pour ça qu'on l'appelle le Conseil de l'entente des gens qui s'entendent. Aujourd'hui, le Conseil de l'entente, on l'entend de, de, moins en moins. Est-ce que c'est parce que, eh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'objectif était de réunir des gens, des présidents qui s'entendent Ou est-ce qu'on pourrait dire que cette euh, institution est quand même euh, un peu absente Quel est en réalité le rôle eh, du Conseil de l'entente Le Conseil de l'entente a été étouffé par un certain nombre d'événements. Le premier qui a contribué à l'étouffement du Conseil de l'entente, c'était évidemment la disparition de ce caractère affectif et sentimental avec euh, la disparition des différents chefs d'État, plus le Togo qui est venu après. Donc euh, ce n'était plus le club des amis. Ces amis-là, ils se sont dispersés. Ce n'étaient plus les mêmes amis qui se connaissaient depuis les grandes écoles fédérales la l'AOF, William Pointy et autres. Donc ça, ce changement de génération a fait que le Conseil de l'entente en avait pâti. Ça, c'est un. De deux, le Conseil de l'entente a été étouffée par des organisations régionales telles que la CAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est devenue l'UEMOA avec euh, donc, euh, la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest à côté. Il y avait eu euh, la CDAO à partir de 1975. Donc ces organisations régionales relativement géantes et qui avaient des objectifs économiques, sociaux et même politiques ont tendu à éclipser le Conseil de l'entente et à l'étouffer surtout que, en fait, le Conseil de l'entente voulait une harmonisation au niveau des politiques des pays, et surtout une organisation de leurs économies du tertiaire, par exemple, au niveau du commerce au niveau des échanges euh, des produits forestiers et des produits animaux, dans le cadre d'une certaine complémentarité, toutes choses par ailleurs qu'on trouvait aussi bien au niveau de la CAO que de la CDAO. Le Conseil de l'entente avait un rôle important qu'on lui avait donné. Ce rôle important, il le jouait euh, grâce à son fonds de garantie le fonds de garantie, c'était tout simplement une sorte d'organisme financier qui qui avait pour vocation de garantir les prêts et des emprunts dans le cadre des investissements donc, euh, des pays, du Conseil de l'Entente. Et le Conseil de l'Entente avait aussi un fonds, un fonds d'aide. Dans le cadre de ce fonds d'aide, les pays membres du Conseil de l'Entente étaient aidés pour la construction de leurs infrastructures, surtout rurales. Le Conseil de l'Entente, euh, avec son fonds, a fait forer beaucoup de puits et de forages pour les pays du Nord, les pays d'élevage, à savoir le Niger et le Burkina Faso. Le Conseil l'entente a beaucoup aidé pour la promotion et le développement de l'élevage, pour la poursuite donc de la production pastorale. Dans le cadre de la recherche d'une certaine complémentarité, les pays du Nord, ceux de l'élevage, devaient être aidés à mieux produire du cheptel pour qu'ils exportent de la viande vers les pays côtiers qui, eux, pouvaient exporter vers les pays du Nord des fruits et légumes. Et voilà, il y avait donc une recherche de complémentarité entre les pays producteurs de la et du bétail et les pays producteurs euh, de fruits et du bois. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on constate que ce rôle a peut-être quelque part disparu. Oui, le Conseil de l'entente euh, avait un secrétariat permanent tenant de ce secrétariat, d'ailleurs, c'était un Congolais de Brazza, planté à la tête du Conseil de l'Entente par Oufouet Bouani. Et le siège du Conseil de l'Entente était à Abidjan. Et le Conseil de l'Entente avait euh, un organisme qui s'appelait Communauté économique du bétail et de la viande, et dont le siège était à Ouagadougou. Avec évidemment la concurrence très dure que lui faisaient les autres organismes, à savoir la CAO et la CDAO, et eh bien, le Conseil de l'Entente avait été plus ou moins étouffé. Avec la disparition des chefs d'État qui étaient ses promoteurs, il s'est aussi essoufflé et c'est par la suite qu'il a eu un regain d'activité et une certaine prise de conscience de la nécessité de réhabiliter et de ressusciter le Conseil de l'Entente. Cela s'est passé il y a à peine 5 euh, ans hein, avec euh, les chefs d'État euh, actuels. Donc c'est de la première génération qui ont créé le Conseil de l'Entente, ils ont passé. C'est de la deuxième génération qui était même en majorité des militaires, ils sont partis. Et maintenant, de la troisième génération sont arrivés. C'est des hommes politiques, c'est des hommes qui cherchent euh, coûte que coûte à trouver les voies et moyens d'intégrer les économies de leur pays. Pour eux, toutes les voies sont utiles et tout est absolument nécessaire. Ils ont donc euh, réveillé le Conseil de l'entente. Et eh bien, le Conseil de l'entente aujourd'hui euh, peut avoir une utilité certaine. L'avenir du Conseil de l'entente, eu égard bien sûr à la concurrence dont vous venez de parler. Oui, vous avez la chance euh, du Conseil de l'entente c'est d'être composé des pays membres de l'ancienne AOF plus le Togo et des pays euh, qui sont aussi membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest et tous des pays francophones qui avaient été jadis euh, colonisés par la France et qui fonctionnent avec le même système monétaire et qui pendant longtemps avaient formé euh, un espace économique unique avec un marché unique à l'intérieur de l'AOF sous la colonisation, à l'intérieur de l'Union française sous la colonisation, à l'intérieur de la communauté par la suite, et puis aussi à l'intérieur des organisations dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la CAO, et plus tard la CDAO. Voilà, donc euh, c'est toujours euh, utile et c'est efficace. Et on n'a pas eu à beaucoup inventer la circulation des personnes, des marchandises et des capitaux entre les pays du Conseil de l'entente a toujours existé. La construction du Conseil de l'entente n'a fait que la trouver et la confirmer et elle euh, continue à en profiter et ce qui est absolument une bonne chose. Maintenant, si la solidarité continue à prévaloir entre les membres du pays du Conseil de l'entente, entre les plus riches et les plus pauvres, eh bien évidemment, dans ce cas-là, les plus pauvres profiteront des investissements qui seront faits, tel euh, tels qu'on le faisait au tout début de la naissance du Conseil de l'entente, quand avec euh, le fonds d'aide et des garanties, on finançait la construction des puits, des forages et des abattoirs, et qu'on contribuait à aider à la promotion de l'élevage au nord et de l'agriculture forestière au sud. On terminera sur cette question, la question du passeport unique au sein du Conseil de l'entente. Nous avons commencé d'abord tous en tant que Français. On était indigènes à l'intérieur de l'Empire français jusqu'en 1945. On avait tous le même statut. Et quand nous sommes devenus citoyens à part entière de la France et de l'Union française, on avait tous les mêmes documents, les mêmes pièces d'identité qui étaient françaises. Et ensuite, quand nous avons acquis nos indépendances, euh, chacun de nos pays, évidemment, euh, a taillé son drapeau, il a confectionné son hymne national, il a eu aussi à faire ses pièces d'identité et son passeport. Mais à travers toute cette histoire-là, la liberté de circulation n'a pas été arrêtée. On a continué comme s'il n'y avait de rien. Et d'ailleurs, les simples citoyens ne s'étaient pas aperçus de, beaucoup de changements. Hein. Ce sont des intellectuels qui suivaient, qui savaient que l'AOF a disparu, qui savaient qu'on a créé le Conseil de l'entente, qui savaient qu'on a réglementé l'affaire des passeports, l'affaire de circulation des personnes, des marchandises et des mais les autres ne le savaient pas. Maintenant, les hommes politiques responsables du Conseil de l'entente, avec de Bonnet à la tête, avaient même proposé la création d'une nationalité, une nationalité des pays du Conseil de l'entente, avec euh, comme euh, hypothèse, par exemple, l'acquisition d'une double nationalité, celle de son propre pays et celle du Conseil de l'entente, ou alors l'acquisition mm, d'une nationalité qui serait unique tous les pays du Conseil de l'entente. Cela, évidemment, avait caressé les esprits, ça n'a pas été réalisé. Et en ce qui concerne le passeport entente, évidemment, ça c'est pour les pays tiers. Déjà, euh, nous avons des tarifs extérieurs communs au niveau des pays du Conseil de l'entente, au niveau de moi, au niveau de l'UOMO, au niveau de la CDAO, on a des tarifs extérieurs communs vis-à-vis des pays qui ne sont pas membres de ces organisations-là. Si en plus des tarifs extérieurs communs, il y a des passeports communs, c'est-à-dire un passeport unique, ou s'il n'y a pas de passeport unique, s'il y a un visa unique qui permet, lorsqu'on l'obtient, de circuler dans tous les pays du Conseil de l'entente une fois qu'on a le visa dans un seul de ces pays-là par lesquels on est entré, moi c'est une bonne chose. Si vous avez le visa entente en venant d'Europe et que vous entrez au Niger, donc, euh, vous bénéficiez de tous les avantages de celui qui a un visa, aussi bien au Niger que dans les autres pays du Conseil de l'Entente. Merci, Monsieur le Ministre. L'homme politique euh, nigérien Sanusi Tambari c'est sur l'histoire du Conseil de l'Entente dans la troisième conférence des chefs d'État et de gouvernement du euh, dont la troisième conférence des chefs d'État et de gouvernement s'était tenue ce matin à Niamey. Les épreuves du bac 2016 ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont près de 44 300 candidats repartis dans 125 centres d'examen pour la recherche du premier diplôme universitaire. À Niamey, tout a bien commencé à l'image du jury 10 où notre reporter Taran Foudey a rencontré quelques candidats juste après l'épreuve de français. Oui, c'est bon, les épreuves, c'est bien abordable, on a bien fait de nos mieux. Vraiment, on n'a pas rencontré de difficultés, c'est bien passé dans l'ensemble. Il y a l'espoir parce qu'on espère avoir quelque chose. L'organisation, c'est bon. Les épreuves étaient quand même abordables, bien que ça n'a pas été facile. Surtout au niveau du résumé, discussion. Mais dans l'ensemble, ça va. Je suis confiante. Je suis optimiste, ça va aller. Vraiment, l'épreuve du français, on a trouvé ça très chic et abordable. Et dans l'ensemble, tout a été bien traité et on espère qu'on va valider cette matière. Le problème, c'est le retard de distribution des épreuves. On met plus de 30 minutes avant de te donner les copies. C'est ça seulement la difficulté parce que ça nous met dans un moment très eh, angoissant. ça, ça démoralise la personne et ça décourage la personne. C'est ça seulement les difficultés. Sinon, les épreuves n'ont pas été eh, très difficiles. Ah, les épreuves n'ont pas été difficiles. Les candidats du jury ce matin à Niamey. Alors, allons à Bouzaou. c'est la première fois que ce département organise des examens du baccalauréat dans son propre centre. Avant, les élèves de ce département passaient leurs examens à Madawa, puis plus tard à Keita, une première qui peut donc encourager élèves et enseignants à aimer l'école selon le directeur départemental des enseignements secondaires. Ils sont au total 93 candidats là-bas, dont 13 filles uniquement reparties pour 75 candidats en série A4 et 18 en série D. Nous avons pu joindre le directeur départemental des enseignements secondaires de Bouza. Écoutons ensemble Moussa Salif. Ça fait la première année que nous venons donc euh, d'avoir le jury des examens du baccalauréat. C'est pour la première fois. Effectivement, par le passé, euh, on se déplaçait pour aller, euh, c'était à Madawa avant. Puis après, avec euh, l'ouverture de Keta, euh, on transportait, on amenait nos élèves au niveau euh, de Keta, puisque Keta avait un centre, avait un centre tout récemment. Donc on amenait nos candidats là-bas au niveau de Keta. Mais sinon, auparavant, nous faisons la demande. Mais vous savez, au niveau du service des examens du baccalauréat, il y a un quota qui est recommandé pour prétendre à un centre d'examen. Et chaque fois, quand nous faisons donc la demande, bon, la demande ne pouvait pas passer puisque nous n'atteignons n'arrivons pas à atteindre euh, ce quota-là euh, de candidats. Mais quand même, bon, nous nous efforçons quand même de faire, de sensibiliser davantage nos élèves pour qu'on arrive à avoir vraiment ce quota-là, ce nombre euh, de candidats qu'il faut pour prétendre à un centre d'examen. Il faut combien de candidats pour prétendre avoir un centre d'examen Date de temps, c'est jusqu'à 150. Sinon, auparavant, c'était jusqu'à 300. Il y a des centres de 300, puis après 150, les petits centres, bon. Avec 100 maintenant, avec 80, on peut avoir euh, un centre. Avec 80 candidats. Cette année, nous sommes à 93 euh, candidats au niveau de, Bouza. Et même les 93 candidats, effectivement, c'est parce que les candidats libres qui pouvaient déposer leur dossier au niveau de Bouza n'avaient pas connaissance que nous allons avoir un centre d'examen cette année. Sinon, on allait aller au-delà de la centaine. Comme euh, les candidats libres ne savaient pas qu'on allait avoir un centre, n'avaient pas déposé effectivement leur dossier au niveau de Bouza. Raison pour laquelle nous avons avons uniquement pour cette année 93 candidats qui sont tous des candidats officiels. Quelle est la euh, répartition des candidats Oui, euh, la répartition est la suivante. Euh, nous avons 75 candidats pour la série A4 et 18 candidats pour la série D. Parmi les 75 candidats pour la série A4, nous avons 12 filles. Parmi les 18 candidats pour la série D, nous avons une seule fille. 13 filles. candidates donc au baccalauréat sur les 93. Qu'est-ce qui explique ce taux qui, qui, qui, qui n'arrange pas les, par les filles Par rapport aux filles, effectivement. Euh, vous savez, au niveau du département de Bouza, le problème que nous connaissons, euh, vraiment, euh, les filles sont hésitantes au niveau de, de, de, de l'école. Et les parents euh, moins d'efforts pour que ce qui là soit maintenu. Parce que vous avez, Bouza, c'est euh, un département d'exode rural. C'est les femmes qu'on laisse à la maison et souvent elles ne prennent pas euh, soin. Euh, souvent l'ignorance dans. Donc les parents, les, femmes, les mères n'arrivent pas toujours à comprendre l'intérêt qu'il y a à ce que les filles fréquentent. Il n'y a pas euh, de programme de sensibilisation Oui, on en fait, on en fait. Mais vous savez, la sensibilisation, elle est surtout plus forte au niveau primaire. Maintenant, le temps qu'elle arrive au secondaire, souvent, la plupart d'entre elles, n'arrivent pas au niveau du secondaire. celle qui arrive, c'est le problème de mariage. Le problème de mariage qui est vraiment fréquent, c'est là où on détourne vraiment l'écrasante majorité de ces filles-là. Qui les détourne ceux qui demandent les filles en mariage, les parents ne s'opposent pas. Et souvent, on dit la religion aidant. Bon, ils font comme si l'éducation, la scolarisation de la jeune fille n'est pas un droit. On fait comme si. Et, cette situation c'est que, bon, nous, nous avons vraiment des difficultés euh, à faire en sorte que euh, ces filles-là soient maintenues. Mais nous nous efforçons quand même avec euh, surtout la compréhension des autorités, notamment le préfet, qui nous aide beaucoup dans ce sens, qui est aussi un enseignant. Bon, effectivement, nous aide beaucoup dans ce sens. On fait de notre mieux pour dissuader euh, vraiment les parents qui essaient de marier euh, ces filles-là avant qu'elles n'atteignent la classe de troisième. Elles arrivent en sixième, cinquième, et puis bon, elles sont détournées. Dès qu'on les demande à mariage, avec les petits cadeaux qu'on amène, bon, c'est un peu la part. Et puis souvent, ça se fait à notre insu. Souvent, on profite des vacances euh, pour les marier, ou alors on profite des transferts que nous arrivons quand même à comprendre et euh, à essayer de nous opposer par rapport à ces pratiques-là, puisque nous sommes des millions, nous connaissons un peu ce qui se passe. Est-ce que vous avez des statistiques, euh, par exemple, sur celles qui arrivent en seconde, elles étaient combien au début pour arriver au bac avec uniquement 14 filles celles qui arrivent euh, au niveau du bac, vous voyez, cette année, je, je, je, prends le cas de cette année. Sur les 93 candidats, nous n'avons que 13 filles, une en D, 12 en, en série A. Et en classe de seconde, elles peuvent euh, être, par rapport à l'effectif, une centaine, elles peuvent être une trentaine. que je vous disais tantôt que, bon, euh, les parents ne laissent pas, ne donnent pas beaucoup de chance aux filles pour qu'elles euh, aillent au-delà de l'école primaire, pour qu'elles viennent au niveau du collège et du collège qu'elles viennent euh, au niveau du, lycée. C'est un parcours un peu difficile pour les filles. Euh, la crainte des parents, bon, il ne faudrait pas qu'elles tombent en grossesse avant qu'elles ne soient mariées. Bon, or, tout cela, bon, c'est de notre ressort. Chacun a son destin. Il faut que les gens comprennent et laissent vraiment la chance à ces filles-là parce que c'est un droit scolarisation jusqu'à l'âge de 16 ans. Hmm. À peine au collège, souvent, on les détourne. Un fait qui tique sur hmm. les 12 filles qui sont, 13 euh, filles qui sont, qui, qui concourent pour le bac, 12 hmm. sont en série A et une seule fille en, série, D. Qu'est-ce qui explique ça aussi? 12 en série A, une en série D. Vous savez, les filles vont aimer les lettres, <laughs> les lettres euh, que les, sciences. Et même la série, les séries scientifiques, voyez-vous, bon, par rapport à l'effectif. 18. 18, bon, l'écrasante majorité, c'est en série littéraire. Euh, là aussi, euh, euh, je ne vous cache rien, ce qui explique cette situation au niveau de Bouza. En dehors de ce problème euh, des, filles, d'une manière générale, quand vous prenez le département de, de, Bouza, en dehors de ce problème donc euh, des filles, nous avons un sérieux problème d'enseignants qui peuvent tenir le niveau lycée, notamment les classes de terminale. Euh, cette situation est très préoccupante et c'est ce qui fait que souvent les élèves eux-mêmes demandent à être transférés puisque nous avons un problème d'enseignants, les gens ne viennent pas. Mhm. Même quand on affecte les enseignants, souvent ils ne viennent pas. Dans quelle discipline se pose le problème d'enseignants Les disciplines scientifiques, c'est là où nous avons un sérieux problème. Tenez pour mémoire, l'année passée, nous avons une autre professeur de physique PC en mars, en mars s'il vous plaît, avec une classe d'examen, où est-ce qu'on va Avec les résultats Et ça décourage. Donc de la rentrée, de septembre, du 15 euh, septembre au mois de mars, il faut voir, bon, les élèves s'inquiètent. Et la plupart, bon, souvent, s'en vont demander à être transférés. Faisons de notre mieux pour les retenir, pour les maintenir, le temps qu'on ait ces professeurs-là dans ces matières-là. Euh, justement, quel est le niveau d'exécution de votre programme pour espérer de bons résultats? L'exécution du programme cette année, c'est dans les 80 à 90%. Avec toutes les disciplines Avec toutes les disciplines. Parce que là, je vous parlais tantôt de l'année passée, notre professeur de TC. Nous avons eu quelques deux professeurs bon, qui étaient euh, restés. Et donc, ils sont là, c'est avec eux que nous avons vraiment euh, atteint ce, ce taux d'exécution du programme. Et qu'est-ce que vous espérez comme résultat Bon, pronostic, euh, <laughs> c'est un peu euh, difficile. Voilà euh, le directeur départemental des enseignements secondaires de Bouza, Bouza qui organise pour la première fois euh, ses examens de baccalauréat dans son propre centre à l'occasion du bac 2016. Autre aspect de ce forum, célébration ce lundi 11 juillet 2016 de la Journée mondiale de la population. Le thème retenu cette année est Investir dans les adolescentes pour un monde plus juste. Ici au Niger, le coup d'envoi de la cérémonie a été donné à Tawa par la ministre de la Population. Selon Kafa Rikiatou Christelle Jacou, les adolescentes représentent 9,8% de la population du pays. Elles constituent 19% des femmes en âge de procréer et contribuent pour 14% à la fécondité totale des, femmes. 40% des adolescentes sont déjà mères ou enfants. Alors, question, comment les adolescents pourront avoir un avenir radieux dans un pays où le taux de croissance est de 3,9% quels sont les problèmes liés à la démographie. Ce sont là euh, des réponses, que, des explications que nous donne Atas, Atmos Hassan, expert en santé de la santé de la reproduction, ancien directeur du Centre de santé de la reproduction. Il est interrogé par Diallo Mariam Kanda. Nous allons faire d'abord un petit historique. En 1960, la population du Niger était estimée à 2 900 000 habitants. Donc aujourd'hui, en 2016, avec les projections euh, qui ont été faites, nous sommes à environ 18 millions d'habitants. Et ce qui démontre, quand on fait toutes les analyses, on constate que la population du Niger double tous les 20 ans. Et si nous gardons le rythme actuel de 3,9% de taux de croissance démographique, en 2050, nous serons 50 millions de Nigériens. Et ce qui sous-entend beaucoup de choses. Maintenant, si on regarde de près, la croissance de la population est la croissance économique ne se font pas de la même manière. avec la population, la population croît de manière algébrique. Si on fait 1 plus 1 égale 2. Et si on prend l'économie, c'est de façon géométrique en dents de Ça baisse souvent très bas et souvent ça remonte. Donc on n'a pas d'adéquation entre les deux croissances. Et dès que l'adéquation manque, cela hypothèque tout espoir de développement pour le pays. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, euh, en termes de développement, c'est compliqué pour le Niger C'est très compliqué. Un développement sous-entend beaucoup d'éléments et nous sommes freinés par euh, ce taux de croissance démographique, mais aussi par euh, un indice synthétique de fécondité de 7,6 enfants par femme qui est le plus élevé au monde. Bien entendu, nous entendons chaque jour des gens dire que ce n'est pas un problème, et qu'on peut croître comme on le veut, mais on a démontré scientifiquement dans aucun pays du monde, aucun pays dans ce monde-là n'a amorcé le développement avec euh, un tel indice synthétique de fécondité ou avec un tel taux d'accroissement démographique. C'est impossible tous les pays ont dit à un moment aller vers ce qu'on appelle la transition démographique pour capter le dividende démographique qui leur permet d'amorcer un décollage vers le développement. Hormis euh, l'aspect développement, cette population grandissante ou galopante rimerait aussi avec euh, d'autres problèmes. Euh, notamment, vous avez été le directeur du centre de santé de reproduction et surtout quand on prend le fait que une femme peut avoir 7,6 enfants, soit 8, et quels sont donc les problèmes liés peut-être même à la santé de cette femme Bien, les, les, problèmes sont nombreux. Le premier problème, c'est que nous avons aussi eh, un rapport de mortalité maternelle qui est l'un des plus élevés au monde y a de 535 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous avons aussi un taux de mortalité infanto-juvénile qui est élevé. Donc pour la santé de la femme, faire des grossesses euh, trop rapprochées ou trop nombreuses euh, entraîne des risques pour sa santé. La grossesse, c'est quand même beaucoup de choses. La femme, quand elle est enceinte, son organisme euh, subit énormément de modifications et elle puise dans ses réserves pour nourrir le bébé. Maintenant, si entre deux accouchements ou entre deux grossesses, elle ne se repose pas, elle va épuiser toutes ses réserves. Et à un moment ou un autre, l'accident finira par arriver plus elle fait d'enfants, plus elle a le risque ou de rompre son utérus ou de mourir en donnant la vie, comme on le dit. Et est-ce que cette situation euh, du Niger a quelque part un rapport avec euh, la culture, la tradition, quels sont peut-être les obstacles aujourd'hui qui peut-être euh, empêchent euh, cette population d'avoir un développement sûr Effectivement, c'est dans notre culture. Nous avons une culture pronataliste qui veut que la femme produisent le maximum d'enfants durant sa vie féconde, qui veut que l'homme ait beaucoup d'enfants. Mais ça, ce n'est plus d'actualité parce qu'avant, on faisait beaucoup d'enfants pour cultiver les champs. Maintenant, où sont les champs Nous n'avons plus de champs. Les champs, les villes sont en train euh, d'empiéter sur tous les champs. Et on faisait beaucoup d'enfants peut-être pour euh, la guerre et tout ça. Là, maintenant, tout ça s'est modernisé. Et on faisait beaucoup d'enfants pour montrer sa richesse ou sa position position sociale. Maintenant, la position sociale n'est plus le fait du nombre d'enfants, mais peut-être d'une fonction sociale ou autre. Donc tous ces éléments qu'on avait dans notre culture qui faisaient qu'autrefois on faisait beaucoup d'enfants ont disparu. Et nous n'avons qu'à regarder les autres nations. Toutes les autres nations qu'elles soient musulmanes, euh, chrétiennes ou même athées, ont compris que sans régler le problème de population, il n'y a aucun espoir de développement, aucun. Et quand vous constatez aujourd'hui, chaque année, c'est des centaines ou des milliers de classes qui sont construites, mais c'est la course poursuite. Le gouvernement n'arrivera jamais à faire suffisamment de classes ou d'écoles. Il n'arrivera jamais à recruter suffisamment d'enseignants de sages-femmes, d'infirmiers, de médecins, tout ça. Justement, parlant des centres de santé, est-ce que au niveau peut-être des centres de santé, il y aurait peut-être une sorte de sensibilisation pour euh, informer les femmes de ces dangers que court une femme qui a des grossesses euh, nombreuses, des grossesses rapprochées Est-ce qu'il y a des moyens peut-être euh, pour aider ces femmes à prendre conscience des dangers qu'elles-mêmes courent et qu'elles font courir à, ses ces enfants, à ces bébés Ces derniers temps, nous avons constaté un début d'inversement de la tendance et tout ça, c'est à cause des multiples campagnes de sensibilisation qui sont faites euh, au niveau des centres de santé et qui sont relayées par les médias, qui vont toucher jusqu'aux femmes qui sont dans des endroits les plus reculés. Et ces femmes ont comme moyen de faire l'espacement des naissances. Euh, nous parlons d'espacement des naissances, euh, quelle que soit la méthode qui est utilisée. Même si la femme n'utilise pas de contraceptif, si elle utilise une méthode naturelle, l'essentiel, c'est qu'elle mette un temps entre deux naissances pour permettre aux enfants de se développer et pour permettre à son organisme de se reposer. Maintenant, au niveau des centres de santé, il y a les méthodes modernes de contraception qui sont là disponibles pour les femmes. Et de plus en plus, nous avons constaté que dans notre pays, il y a beaucoup de femmes qui utilisent ces méthodes contraceptives avec l'accord des maris, puisque maintenant la vie est très difficile. Tout le monde se rend compte que c'est très difficile parce qu'il ne s'agit pas de faire les enfants, il faut les nourrir, il faut les éduquer. Et vous voyez aujourd'hui devant nos feux rouges, le spectacle est désolant. Vous avez une horde de mendiants, d'enfants qui sont là en train d'harceler les gens. Et c'est comme ça dans tout le pays, malheureusement. Et alors, y a-t-il une différence entre espacement de naissance et planning familial Au Niger, nous avons opté pour l'espacement de naissance. C'est ça le planning familial. C'est le même mot. Donc, nous avons depuis l'époque du feu président Contier, il a autorisé parce qu'il a vu, il a eu une vision de ce que nous sommes en train de vivre. Et il a compris et il a lancé un appel qui est resté sous le nom de l'appel de Matamei pour appeler les populations nigériennes à espacer les naissances pour éviter la mortalité maternelle et la mortalité infantile qui sont dues aux grossesses trop nombreuses, trop rapprochées, au sévrage brutal, etc., etc. Et il a donné toutes ces raisons et c'est à partir de ce moment que le Niger a mis en place un programme de planning familial basé sur l'espacement de naissance. Espacer les naissances d'au moins deux ans permet à la femme de se reposer et aussi à l'enfant d'avoir suffisamment de lait. Est-ce que c'est parce que l'expression planning familial pose problème qu'ici qu'on a opté pour euh, l'espacement de naissance Non, il y a eu une conférence internationale pour la population et le développement CIPD euh, qui s'est tenue en 1994 au Caire. Et à partir de cette conférence, il a été demandé à chaque pays d'adopter les expressions culturellement acceptées dans son pays. Et nous, notre culture, elle est musulmane. Donc l'islam accepte l'espacement des naissances. Et c'est dit, c'est écrit dans le Coran qu'il faut laisser un espace d'allaitement entre deux naissances. Donc c'est ça aujourd'hui que nous, au Niger, nous essayons d'appliquer. Un dernier mot avant la fin de cet entretien Le dernier mot, c'est de lancer un appel, en tout cas tous les dirigeants de ce pays, pour euh, en tout cas qu'ils pensent à faire une politique de population qui permettra au Niger de capter le dividende démographique. C'est le seul élément qui pourrait nous donner une possibilité d'amorcer le développement. Et ce développement, tant souhaité, tant en tout cas cité par tout le monde, n'est possible qu'à travers une adéquation économie croissance démographique. Monsieur Atmo, merci. Merci aussi. Voilà, Atmo Hassan, expert en santé de la santé de la reproduction et ancien directeur du Centre de santé de la reproduction à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la population. Dernier aspect de ce forum, Euro 2016, c'est finalement le Portugal qui remporte la Coupe. Il a battu hier soir la France, pays organisateur, par un score de 1 à 0 au stade de, la, de France à la 109e minute. Un match diversement apprécié par les fans du football d'ici à Niamey. Vous avez suivi quelques-uns d'ailleurs dans le journal. Alors, quelle analyse technique et tactique euh, faut-il retenir de cette rencontre France Portugal C'est la question, c'est l'une des questions que notre reporter Souman Amadou a posée au chroniqueur sportif Yannick Ousmane Keita. Voici son analyse. Cette euh, rencontre euh, finale euh, France-Portugal, c'était une rencontre explosive. Ça a tenu tout le monde en annelle. C'était le vrai suspense parce que l'on ne s'attendait pas à voir une équipe française aller jusqu'au temps réglementaire, les 90 minutes, aller maintenant au niveau du temps additionnel jusqu'à aller, bien sûr, à la prolongation. C'était vraiment exceptionnel pour cette équipe de France. Euh, ce que je dois dire euh, par rapport surtout à cette prestation de l'équipe de France et cette victoire inédite euh, et surprise du Portugal, je dirais quand même que la France, dès l'entame, était solidaire, la France était volontaire et la France avait mis en tout cas tous les bouchers doubles pour qu'elle puisse au moins remporter cette finale devant son président Hollande. Malheureusement, elle a fait face à une équipe euh, de la Selesaio portugaise euh, euh, qui était certes un moment crispé et avec cette blessure de Cristiano Ronaldo qui a été donc taclé au niveau du genou gauche. On s'attendait à un véritable score fleuve en faveur de l'équipe de France avec cette sortie de Cristiano Ronaldo à la 25e minute. Mais malheureusement, malheureusement, et bien, l'équipe de France s'est laissée euh, entraîner dans le jeu portugais parce que les Portugais euh, euh, s'attendaient vraiment à, piéger les hommes de Didier Deschamps. Et ça a été payant parce que jusqu'à la 90e minute de jeu, eh bien, la France n'arrivait pas à marquer malgré ce deux coups de tête de, son chouchou Antoine Griezmann, avec surtout, surtout, surtout ces maintes tentative manquée euh, par Moussa Sissoko qui a été, ma foi, l'homme du match. Sissoko a tout donné hier à la France. Il a voulu remporter cette euh, Coupe euh, d'Europe. Moussa Sissoko a été intraitable, il a été incomparable sur tous les plans. Mais malheureusement, voilà ce que euh, les Portugais ont eu à créer comme surprise à la 109e minute avec, bien sûr, cette erreur défensive de, de, de, Laurent Koscielny qui a laissé tout simplement le Portugais Eder aller seul et frapper dans la cage euh, française. Euh, c'est vrai, Igolo. Voilà l'analyse du chroniqueur sportif Yannick Ousmane Keita sur la défaite de la France hier soir en Coupe d'Europe 2016. Voilà, à 18h59 minutes, ainsi s'achève ce forum de ce jour. Nous nous retrouvons demain à la même heure, aux mêmes fréquences. Bonne soirée à tous.